forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou auditrice du Studio Kalangou, bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le Studio Kalangou est présent dans 20 localités du Niger à travers un réseau de radio partenaires. Ces radio partenaires qui diffusent les programmes du Studio Kalangou en direct sont basés dans tous les chefs-lieux des régions du Niger ainsi que dans les localités d'Arlit, de Tirozerine, de Menesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birning, Gauré, Justice et consolidation de la paix, c'est la thématique principale qui servira de base à nos échanges de ce soir et ce pour une durée de 45 minutes. Quelles sont les conditions sine qua non pour sauvegarder et consolider la paix À quel moment la justice doit être la seule option et à quel moment et dans quelles conditions doit-on se passer de la justice Justice et repentir, quelle base légale quelles limites La réinsertion sociale, gage d'une consolidation sans faille de la paix, c'est à toutes ces questions que nous espérons trouver des réponses avec nos invités. Présentation de cette émission à la cousine Mamadou, avec moi autour du plateau pour en discuter, Kakatouda, acteur de la société civile, membre de l'association Alternative Espace Citoyen, et Seydou Arji, juriste et consultant en gouvernance et communication. Merci à tous d'avoir honoré notre invitation. Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum du studio Kalangu. Le Niger est un pays qui a vécu des périodes de son histoire caractérisées par un certain nombre de rébellions qui ont été gérées différemment selon les régimes en place. Certains ont mis l'accent sur la répression et d'autres le dialogue et le consensus aboutissant à des accords entre les partis. Outre la rébellion, le pays fait face depuis bientôt une décennie à un nouveau phénomène mondial, le terrorisme. Ce phénomène vient mettre à rude épreuve la quiétude et la paix récentes retrouvées. Depuis lors, le Niger Entourés par des foyers de tension à ses frontières Libye, Nigeria et Mali, tentent de faire face à l'ennemi qui a pour nom ACMI, État islamique ou encore Boko Haram. Ces groupes profitent de la situation de pauvreté des populations pour recruter ou pour disposer de complices. C'est ainsi qu'à Difa, plusieurs membres présumés de Boko Haram sont arrêtés, transférés dans des prisons de haute sécurité. En janvier dernier, plus de 200 d'entre eux ont été jugés à l'issue des procès. D'aucuns sont condamnés et d'autres ont recouvré leur liberté. Je m'en vais commencer avec vous, Kaka Touda. La justice, quelle est son importance d'abord, la justice au sens juridique alors je profite euh, d'entrée de jeu pour euh, présenter mes condoléances vraiment euh, suite à ce qui étaient intervenu hier, soir. dans mm. la région de Tilaberi. Moi, je présente toutes mes condoléances aux familles des disparus et je souhaite prompt rétablissement aux blessés. Cela étant dit, vous me demandez l'importance de la justice. Vous savez que dans un État, dans une République, euh, un des pôles ou une des institutions phares, c'est quand même la justice. Les pouvoirs sont divisés. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir judiciaire. Or, pour que les institutions de la République marchent, pour que la démocratie ait son sens véritable, il faut que la justice fasse effectivement son travail. Il faut qu'on sente que les citoyens se sentent dans un espace sécurisé. Il faut que les, citoyens croient en leur justice. Or, très malheureusement, euh, de nos jours, dans nos États, cette confiance entre la justice et les justiciables est en train de prendre un certain nombre de distances et cela n'est pas de nature en tout cas à créer la cohésion sociale, cela n'est pas de nature à créer la sérénité, et en tout cas la paix dont nous allons revenir là-dessus parce que dans une république, dans un pays où la justice n'est pas euh, rendue au nom du peuple, je pense que c'est un pays qui à tout moment euh, sujette en tout cas à des confusions, sujette euh, à, à l'insécurité et sujette à tout. Voilà ce que je peux dire, euh, d'entrée de jeu. c'est Arji, vous êtes juriste, consultant en communication et en gouvernance. Je dirais que d'entrée de jeu, que la justice est l'institution la plus importante. Dans un, système démocratique. Mhm. Parce que la paix et la culture sociale dépendent de la justice, pour une large part. En ce sens que c'est la justice qui joue un rôle de régulateur, qui prévient les abus des autres pouvoirs notamment exécutif et législatif. Et si elle est bien rendue, elle peut, un temps soit peu, consoler les citoyens, leur donner le sentiment qu'ils vivent dans un état de droit et que s'ils ont des difficultés, ils vont en référer à la justice. Mais si cette justice ne marche pas, nous assistons à une désarticulation de la société. Nous assistons à des foyers de violence parce que les gens ont tendance à se faire justice. Or, lorsque nous sommes en justice privée, nous quittons le domaine des humains pour tomber dans la jungle, comme on le dit, œil pour œil, dent pour dent. Donc la justice, à mon avis, si elle marche, c'est pour le bien de la communauté, de la démocratie. Mais lorsqu'elle est défaillante, tout peut arriver dans un État et les institutions, les citoyens vont perdre confiance en toutes les institutions. Et vous avez des phénomènes de tous ordres qui sont attentatoires à la quiétude publique. La justice doit être l'option permanente. C'est-à-dire qu'avant de tenter quoi que ce soit, vous devrez tester le mécanisme de la justice. Donc il faut avoir une culture de contentieux. Aujourd'hui, lorsque vos droits sont violés, ou lorsque un grief vous est fait, vous devrez avoir le réflexe de saisir les tribunaux. Et c'est à ces tribunaux de vous rendre justice. C'est donc lorsque les tribunaux ne vous rendent pas justice que vous pouvez explorer d'autres voies. Et malheureusement, l'une des voies que les gens explorent lorsque la justice est défaillante, c'est la violence, c'est bien d'autres phénomènes qui ne sont pas nécessaires dans un état de droit. Mais il faut distinguer aussi une justice qui fonctionne mal et une justice qui est inaccessible. Parce que vous avez deux phénomènes. Il y a un problème qu'on appelle l'accès à la justice. Lorsque vous n'avez pas un tribunal auquel vous allez vous adresser à une autre juridiction, lorsque les procédures sont alourdies ou elles sont conditionnées par l'argent, que le citoyen lambda ne peut pas accéder, lorsque le citoyen lambda ne peut pas se faire assister par un avocat parce qu'il n'a pas les moyens et il n'y a pas de mécanisme d'assistance judiciaire, lorsque des procédures sont instituées et qui ne lui permettent pas d'ester la justice, ça veut dire qu'il y a un problème d'accessibilité, d'accès à la justice, premièrement. Deuxièmement, il peut accéder à la justice et que celle-ci se révèle inefficace parce qu'elle ne juge pas selon les règles du droit et ne donne pas raison à qui a raison. Vous avez d'autres considérations qui entrent. Bref, lorsque les droits n'est pas dit ou lorsque certaines pratiques sont développées telles que la corruption et bien d'autres choses, vous avez des désaffections et vous avez parfois des scandales, y compris dans les cours et tribunaux, parce que les citoyens, au lieu de faire des recours, ils expriment publiquement leur mécontentement et cela nous a conduit parfois à Alors, euh, Monsieur Kakat, Alternative Espace Citoyen, nous avons vu que la justice euh, dans un État démocratique, en tout cas, doit être l'option permanente, euh, l'a dit Seydou Arji. Mais est-ce qu'il n'y a pas des situations oh, qui nécessitent à ce que qu'on pense au pardon plutôt que de, juger la justice doit être permanente, hein, parce que c'est ça aussi. Tant qu'il y a dans une, dans une société des infractions commises, il faut que ces infractions puissent être punies. Mais une chose est sûre, pour moi, en tant que démocrate, en tant que défenseur des droits humains, la véritable option dans une république, dans une nation, quand il y a des conflits, c'est que les juridictions compétentes puissent être saisies, puis ou puisse se saisir elle-même pour juger de l'affaire. Parce que le grand frère l'a appelé, nous avons, nous n'avons pas la culture du procès. Or, les jurisprudences dont on parle, ce qui est un ensemble de décisions des tribunaux rendues aujourd'hui dans un pays comme la France que nous suivons, dans n'importe quel domaine, quand vous prenez, vous pouvez avoir une, une, décision de justice qui a été rendue. Mais chez nous, très malheureusement, la première des choses aujourd'hui, tu as, tu as un conflit, tu pars, tu passes par exemple injuste. Voyez-vous combien de gens passent injustement des mois, des années en prison. Vous faites un an, deux ans, tu as un mandat de dépôt. Le jour où tu es jugé, on te donne un non-lieu. Et si tu veux retourner, par exemple, contre la justice en pour pour le les gens vont dire Mais toi, tu es même malade. Toi, tu, Dieu t'a donné la chance même d'avoir la liberté et tu te permets, voyez-vous jusqu'où notre société est, est allée. Notre objectif, c'est de travailler ensemble parce qu'on ne se décourage jamais. On fait des sensibilisations. Le travail, actuellement, nous sommes dans le studio Kalangu pour parler de ce plan. Nous appelons les citoyens. Nous allons continuer à les sensibiliser pour que les gens, même les insultes, quand tu vois que c'est un peu trop, tu peux aller. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la justice. D'abord, on peut porter plainte au niveau du chef de quartier, chef de village. Notre société est organisée de telle sorte qu'on a plusieurs portes vraiment des règlements. Mais comment faire quand des obstacles se dressent souvent euh, face à soi mais, mais nous devrons créer les conditions pour lever ces obstacles-là. Parce qu'il ne faut pas toujours qu'on dise que quand il y a des obstacles, il faut se rendre justice. Nul n'a le droit de se rendre justice lui-même ou elle-même. Donc chacun la société, dans notre société, il y a des mécanismes traditionnels, il y a des mécanismes coutumiers, il y a des mécanismes institutionnels qui sont là, qui règlent. Eh bien, il faut qu'on ait vraiment cette culture. Sinon, la société est une société qui peut vraiment à tout moment se disloquer parce que si chacun se réveille un matin, juste il y a un conflit avec ton voisin, tu te fais, tu te fais la justice toi-même et les autres aussi ont des parents et, ça serait vraiment un cycle de violence et on n'a pas besoin de ça dans une société. Nous entamons la deuxième partie de cette émission. En partie, nous avons vu l'importance de la justice. Voyons maintenant pour ce qui est de la paix et de sa consolidation. Et M. Sedou Arji, pourquoi est-ce si important la paix L'obtention de la paix, finalement, n'est pas toujours une fin en soi. Il faut qu'elle soit consolidée. Oui, bon, moi, je trouve que c'est aussi évident. Lorsque vous posez la question à savoir l'importance de la paix, je dirais que la paix, c'est la condition première pour euh, toute nation euh, en matière de développement et d'équité sociale. Sans paix, on ne peut rien faire. S'il n'y a pas la paix, ça veut dire que les institutions ne peuvent pas fonctionner normalement, les activités économiques ne peuvent pas fonctionner normalement. Bref, un pays ne peut pas fonctionner, ne peut pas marcher dans un climat où la paix n'est pas garantie, dans un climat de guerre ou d'autres instabilités. Donc la paix, c'est la base du fonctionnement d'une société. sociétés, C'est la fondation. Sans paix, on rien fait, Et aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de pays ou beaucoup de régions où il n'y a pas la paix, on ne peut pas entreprendre quoi que ce soit. Si on prend aujourd'hui au Niger, la région de Difa, qui nous intéresse beaucoup, il y a des activités qui ne se font pas. Quand vous prenez l'économie de cette zone, elle est basée sur l'exploitation du poivron, le fameux tatassé, l'eau rouge, mais aussi les poissons fumés, qui constituent des activités rentières pour les populations et qui rapportent des milliards par an. Aujourd'hui, ces activités sont mises entre parenthèses à de l'insécurité d'une guerre qui est là, asymétrique, et qui ne permet plus à ces activités, y compris les questions d'agriculture, d'élevage et autres. Donc, sans paix, on ne peut rien faire. Kaka Tuda Comment restaurer et consolider la paix ben, Écoutez, comment consolider la paix Je vais juste prendre par exemple l'exemple de la rébellion Touareg que vous avez évoqué dans votre introduction. Vous savez que les accords de paix de 1995 avaient plusieurs axes par exemple. Quand vous prenez, il y a l'axe développement, il y a l'axe réinsertion sociale, il y a l'axe décentralisation et il y a l'axe développement des zones nord. Vous, vous prenez par La réinsertion également. Oui, il y a la réinsertion. Par exemple, le, ce qu'on a appelé la discrimination positive. Mhm. Vous savez que des milliers de gens ont intégré, par exemple, dans les rangs des forces de défense et de sécurité, d'autres pour aller étudier dans des, euh, dans des universités à l'extérieur, à l'étranger, dans la sous-région. Pour tout ça, là, l'objectif recherché était de créer les conditions pour restaurer la paix. Donc, souvent, pour restaurer la paix, on se fait violence, on fait même des discriminations. Étant donné que la paix et la cohésion sociale est importante, on sacrifie des gens qui n'ont pas pris des armes, qui sont souvent des diplômés, on les sacrifie au nom de la paix et de la culture sociale pour envoyer ces gens. Mais très malheureusement, souvent dans la consolidation de la paix, souvent il y a le non-respect de certains engagements. Quand vous prenez les accords de paix, par exemple d'Agadez, il y a le développement de la zone nord qui a été été posé en point clair jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous partez dans la région de Tawa à Gadez, pour prendre la route euh, RTA, c'est un véritable calvaire. Quand vous prenez le développement en termes d'infrastructures, ça cause également des problèmes. Donc ce sont des germes encore qui peuvent se réveiller à tout moment. Donc c'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs, euh, en tant que militants, nous interpellons vraiment le gouvernement, nous interpellons les décideurs de leurs responsabilités parce que l'État, c'est une continuité. Euh, un régime est venu, il a posé sa pierre, les autres ont l'obligation de continuer. Oui, c'est Je pense que ce que Kaka dit, c'est important. Moi, j'ajouterai des piliers les piliers pour la paix, la justice et le partage équitable des ressources. Je ne reviendrai pas sur l'importance de la justice, étant entendu qu'on en a parlé, mais le second pilier, c'est le partage équitable des ressources. Nous avons, surtout naturel, nous avons des ressources naturelles, des ressources minères et pétrolières. Donc la question de leur gestion équitable, notamment au profit des zones riveraines, des les communautés riveraines des sites d'exploitation se posent. Et dans tous les pays du monde, lorsque ce plan n'est pas réglé, vous avez des problèmes, y compris des guerres. À côté, au Nigeria, vous avez la question du delta. Dans d'autres pays, vous avez. La première rébellion au Niger, c'était autour de la question du partage des retombées de l'Iranien. À Difa aussi, les populations ont posé un problème. À un moment, à aussi. Donc, tant qu'il n'y a pas un partage équitable des ressources, il paye au profit surtout. Des, Parce que les ressources, il faut dire que les ressources naturelles sont la propriété de l'État du Niger dans son, dans son ensemble. Mais seulement une portion doit être consacrée aux populations riveraines, surtout qu'ils soient exposés aux effets oh. néfastes des exploitations. Donc lorsqu'il n'y a pas un partage équitable des ressources, à travers notamment des investissements, il peut y avoir des sentiments, des reflux des gens, peuvent avoir des idées et perturber la paix. Toujours est-il qu'il faut retenir que tous les conflits naissent autour de l'accès et du contrôle des ressources. Ça ne faut pas se voiler la face les autorités ont essayé quand même de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour prévenir justement euh, la remise en cause euh, de la paix. Par exemple, nous avons euh, une institution, la haute autorité à la consolidation de la paix, Kakatouda, une appréciation du rôle que joue fondamentalement une telle institution la volonté de l'État est indéniable. Hein, quand vous voyez le fait déjà de, de mettre une institution dont le rôle est spécialement ou spécifiquement euh, dédié ou destiné à la préservation et la consolidation de la paix, déjà en termes d'institution de la mise en place d'institutions, c'est une avancée notable. on voit également cette institution faire des efforts. La dernière fois, par exemple, le 24 avril, ils, étaient, ils se sont déplacés avec le Premier ministre, ils étaient à Tintage pour commémorer la journée de la Concorde. Et à, ce titre, il y a eu plusieurs thématiques qui ont été développées. Vous les voyez également dans la région de Difa, un peu vers le nord Tilaberi, partout là où il y a des foyers de tension, ils ont énormément de partenaires techniques et financiers qui les accompagnent ils organisent des forums, ils donnent la voix en tout cas à la jeunesse, ils donnent la voix aux démunis, ils donnent la voix aux femmes pour en parler. Déjà le fait d'approcher les gens, de leur donner le micro pour qu'ils disent ce qui, ne va pas, pour qu'ils disent leur mécontentement, en soi c'est déjà une avancée. Mais je pense que euh, aussi au-delà de la mise en place d'une institution, je pense que le véritable problème c'est que le gouvernement doit créer les conditions pour répondre véritablement aux problèmes qui minent. On n'a pas fini peut-être de comprendre nos problèmes, mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que non, on a trop parlé. Il y a des gens qui vont te dire non, on a trop parlé, on a trop discuté. Peut-être qu'on n'a pas fini de comprendre nos problèmes en cela, je dis que c'est très bien de continuer à discuter, d'échanger avec les gens, mais euh, le problème fondamental réside vraiment dans le développement, dans la création d'emplois, par exemple, euh, aux jeunes. Vous voyez, au même moment, euh, dans le cadre, rappelez-vous, de, cette opération de Niamey-Niala, on a eu cette opération de déguerpissement qui a amené au chaos plusieurs, en tout cas, des gens qui ont investi, qui ont mis 20 ans, 30 ans d'économie qui bâtir... se euh, sont écroulés comme vraiment un mur qui tombe. Je pense que ça, ce sont des choses, de frustration comme ça. Si vous n'avez pas vraiment des choses à offrir aux gens, n'ayez pas quand même la maladresse de détruire le peu que les gens ont. Voilà des choses euh, qu'il faut éviter. Euh, quand vous allez, vous faites, vous posez des actions comme ça, des actes comme ça, eh bien, vous ne pouvez pas contenir les gens à travers des discours et autres. Donc ce discours doit être matérialisé par des actes concrets et c'est c'est cet appel vraiment fort que je lance à l'endroit de nos dirigeants, que d'ouvrir les yeux et vraiment de répondre véritablement aux préoccupations des citoyens, plutôt que de considérer ceux qui sont en train de faire des petites revendications comme si, entre guillemets, ce sont vraiment des perturbateurs un mot peut-être, c'est euh, d'agir sur les institutions souvent qui sont mises en euh, place. les institutions sont mises en place comme la haute autorité pour la consolation de la paix, je trouve effectivement qu'elle fait beaucoup de choses, mais je ne dirais pas assez. La haute autorité est importante parce que c'est une institution de l'État qui est en relation avec beaucoup de partenaires. Mais moi, je trouve que cette autorité devrait privilégier le principe du faire-faire. Du faire-faire en ce sens que elle doit mener des réflexions, elle doit mener des activités pour mobiliser des fonds et permettre aux organisations communautaires de base, par exemple, de travailler dans le développement. Parce que nous voyons la haute parfois descendre sur le terrain. C'est vrai, c'est bon, mais pour une institution, elle devrait garder un ordre d'orientation et maintenant appuyer les organisations communautaires de base. À se prendre en charge Ouais, qu'on gagnerait mieux du point de vue du résultat. Maintenant, effectivement, si on prend les institutions qui œuvrent pour le maintien de la paix, je trouve que lorsqu'on parle de résolution et de prévention, il faut mettre en avant la prévention. Et prévenir les conflits, je vais me répéter, revient à garantir une justice qui fonctionne, mais revient aussi à partager des ressources de façon équitable. Vous savez, il y a toujours des, des signes avant-coureurs pour le conflit. Donc chaque fois, quand il y a un conflit, si vous faites l'analyse, vous verrez qui a des signes avant-coureurs. Et ces signes avant-coureurs-là, c'est vraiment des questions qui sont liées soit à la manière dont la justice est rendue, soit à la manière dont les richesses sont partagées. Effectivement, une institution comme la haute autorité aujourd'hui, elle met en œuvre des projets, des projets. elle fait en sorte que certaines zones puisse avoir des investissements et autres. Et c'est justement à travers cela aussi qu'on fait une prévention. Lorsqu'on voit que les gens n'ont pas de l'eau à boire, par exemple, et qu'on leur donne, et n'ont pas ceci, cela, on crée des conditions. Là, ça permet de désamorcer. Si on revient sur notre question de partage, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'une ville comme Agadez, une ville comme Arlette, a décidé euh, problème d'eau. problème d'eau. Oui. c'est qui est inimaginable quand même, au vu des richesses qu'il y a pour moi, dans un État, le minimum qu'on puisse donner à un citoyen, c'est de l'eau. Alors, d'où est-ce que la, haute autorité à la consolidation de la paix, est-ce que vous pensez qu'elle doit continuer à avoir comme celle cible les populations locales et ou plutôt euh, doit-elle aussi euh, s'adresser aux autorités qui ont la charge de la gestion publique pour des conseils peut-être sur la prise de certaines décisions, de l'orientation de certaines politiques publiques Aller de façon prudente. La haute autorité, elle a son statut, elle a sa mission, elle est rattachée à la présidence de la République. Or, les autorités dont vous parlez, elles sont sous la coupe de l'exécutif. Donc la haute autorité, étant une institution de la présidence, elle ne peut que mettre en œuvre les orientations de la présidence, par exemple. Tout est question de programme, tout est question des orientations. Il va falloir lui donner au niveau de l'exécutif l'orientation que l'exécutif juge nécessaire. Et dans le cadre de cette orientation, je disais que la haute autorité, à mon avis, doit rester sur des questions éminemment conceptuelles, éminemment politiques, du point de vue de l'organisation et des missions, et maintenant encourager les faire faire, je disais, en faisant en sorte que les organisations communautaires de base, les ONG et autres, puisse faire le travail qui est nécessaire. Parce que la haute autorité, c'est une institution, c'est un bureau qui ne peut pas tout faire à la fois. Mais en faisant le faire faire, haute autorité peut être au niveau de toutes les régions et faire en sorte que les questions de paix soient prises en charge convenablement. troisième et dernière partie du forum de ce soir, comment concilier justice et mesures de consolidation de la paix il y a deux semaines, euh, c'est un rappel, un symposium international a été organisé à l'université de Difa sur le thème déradicalisation et réinsertion des jeunes repentis. Les participants étaient venus de la sous-région d'Amérique et d'Europe. Alors, euh, M. Kakatouda, vous, êtes acteur de, vous êtes acteur de la société civile, membre d'Alternative Espace Citoyen. Vous avez pris part aussi à, cette rencontre internationale. Est-ce que vous pouvez nous résumer euh, les grands points euh, qui ressortent du dit symposium et les recommandations écoutez, vous me demandez grâce. Je ne sais pas si j'ai toutes les recommandations dans la tête, mais une chose est sûre. Sur la euh, question, par exemple, de la déradicalisation des jeunes Oui, bah bah, par, rapport à la question de la déradicalisation des jeunes et même par rapport à cette question de répandre de Boko Haram, comme vous l'avez dit, vous savez que le Niger euh, est le troisième pays du bassin du lac Tchad à se lancer dans ce processus, de, par exemple, de, de en tout cas, le gouvernement a tendu la main, comme vous le savez, le 27, mai, euh, le 27 décembre 2016. Et avant ça, le Nigeria était déjà engagé dans ce processus, le Tchad aussi. Et Qu'est-ce qui a guidé cela C'est que nos États avaient pensé qu'au tout début de cette crise, que le tout sécuritaire allait régler la question. À l'époque, vous vous rappelez, il y a un certain nombre de structures qui ont en tout cas euh, attirer l'attention du gouvernement que tout conflit finit ou finira par euh, sur une table de négociation. Quel que soit euh, l'adversaire. Quel, quel que soit, le temps que ça va, ça va prendre, on va toujours finir. Nous sommes en train de voir dans le cadre du Nord Mali qui est encore plus agité aussi. Vous voyez qu'il y a l'accord de l'Alger, même si l'accord connaît toujours des hauts et des, bas, des bas, mais toujours il y a des pourparlers, toujours il y a des négociations. Et le gouvernement s'est lancé dans ce processus. C'est vrai que ce processus, euh, tous les citoyens nigériens ont vu comme ça à la télé, qu'un jour il y avait le ministre de l'Intérieur extérieur accompagné de, des cadres de la région, des parlementaires de la région étaient là-bas accueillant ces gens. À l'époque, c'était à peine 30 personnes, 31 personnes. Aujourd'hui, le nombre de repentis est passé à 150 personnes. Euh, leur camp est en construction au niveau du département de Goudoumaria, un peu à, l'ouest de Difa. Pour le moment, ils sont on ne va pas dire détenus, mais ils sont logés, euh, et, euh, ils sont logés au niveau des, des, des, maisons, des villas, euh, au niveau du centre de, dans la ville de dans la ville de, Alors, par rapport à la déradicalisation, on a suivi plusieurs thématiques. Hein. On a vu des exemples, par exemple, de la Somalie, on a vu des exemples du Tchad, de, la du Cameroun, on a vu l'exemple également du Niger qui vient de, se lancer parce, que, les, pays, étaient là aussi pour, pour, partager, les expériences, pour partager les expériences sur ces questions. Le Niger, mais quand même, c'est un nouveau. Donc, il faut faille qu'on crée des conditions pour comprendre un peu le meilleur. Parce que pour le moment, on s'est lancé dans un processus dont on ne connaît pas très bien les choses. C'est maintenant que les stratégies sont en train d'être élaborées parce que nous avons, euh, par exemple, suivi une communication faite par euh, le ministre Imam euh, Ben Salah, qui était aussi l'un des invités. Eux, en tant que on les a invités, le ministère de l'Intérieur les a invités à élaborer des brochures, en tout cas, euh, des, de euh, comment j'allais dire, en tout cas des tests de formation. Euh, religieux qu'ils ont soumis déjà au ministère, et où on va faire appel à, des religieux qui vont également aller en termes d'éducation, de réinsertion, qui vont le faire. Mais fondamentalement, je veux dire que nous sommes rentrés dans un processus, on n'était pas du tout préparé, comme vous le savez, même le camp est actuellement en construction. Or, on a déjà fait comprendre à ces repentis, mais que ces gens-là, leur finalité ne sera pas la prison. Donc, de telle sorte qu'il y avait quelqu'un qui nous aide dans la salle. Eh bien, si le gouvernement vous nous dit de déposer les armes, de revenir et que voilà, notre finalité n'est pas la prison et que vous continuez à nous garder dans une maison, eh bien, nous, on ne comprend pas ça. Alors même qu'ils ne savent pas que le processus n'a même pas du tout commencé en tant que tel. Parce que c'est maintenant que leur camp est en train d'être. Certainement que ça va prendre un un an, deux ans, trois ans, je n'en sais rien. Ça vaut ça va prendre le temps que ça va prendre, mais pour dire que euh, c'est vraiment un nouveau processus qu'il faut gérer avec méthodologie, qu'il faut gérer avec euh, beaucoup d'efficacité. pourtant, il me semble qu'au début, le gouvernement avait laissé entendre que c'était une stratégie pensée oui, mais c'était, c'était, on a eu aussi droit à une communication hein, du représentant du ministre de l'Intérieur qui était là-bas. Il a fait une communication. En fait, le gouvernement, pour le moment, n'a même pas en réalité les moyens en tant que tel pour faire, parce que pour le moment, c'est sur fond propre que le camp est en train d'être construit. Ils se font violence pour prendre en charge ces camps. Ça a un coût parce que il faut entretenir ces gens, il faut les nourrir, il faut même pour le moment, on n'a pas vu en tout cas des partenaires qui se sont réellement engagés, qui, ont en tout cas tapé les mains pour dire voilà, ils vont accompagner. C'est un processus. C'est une bonne chose que nous puissions sortir vraiment de tout sécuritaire pour rentrer dans, pour... Euh, rentrer dans, cette nouvelle dynamique nous allons essayer d'apprécier à sa juste valeur, à sa, juste, et nous allons tout faire pour accompagner ce processus pour que, une euh, in fine, ça puisse euh, être une réussite et que, qu'on puisse citer aussi le Niger parmi les pays qui peuvent être des exemples euh, en matière de réussite vraiment de réinsertion, sociale. Alors, Seydou Arji, justice et repentir, quelle base légale, quelle limite Bon, on avait vu que la justice doit être la seule option. La justice, je dirais qu'elle Quelque part, on vu Qu'elle devrait être permanente, qu'elle est le gage de la paix. Et maintenant, on parle de repentis de Boko Haram dans la région de Tifan. Effectivement, au premier abord, les gens ont le sentiment qu'on cultive l'impunité. Voici des gens qui se sont mis contre leur nation, ou qu'on accueille, mieux connaissaient même de loger et d'entretenir. N'est-ce pas le cas Sachant que plus de 1000 d'autres sont détenus. Hein. Donc, des gens ont un sentiment de frustration, mais aussi de méfiance. Certains vous diront que c'est la stratégie de Boko Haram pour envoyer ces gens aussi faire des actions. Cette méfiance et cette frustration sont, tout, sont tout à fait légitimes, penser. Mais il faut aller au-delà du sentiment ambiant étudier la problématique en tant que telle. Le système, disons, la situation des répartis, ce n'est pas la première fois qu'on l'a dans un conflit. Et dans beaucoup de pays, on a eu des cas comme ça. Des gens se sont rendus, des gens se sont répandus. ils ont fait leur meilleur pas pour revenir dans leur société. Maintenant, comment gérer cette situation au regard de la justice Kaka parlait au début de la justice transitionnelle. Oui. Effectivement, nous avons le concept et le procédé de la justice traditionnelle qui a été utilisé pour plusieurs raisons au sortir des conflits. Parfois, c'est pour aller vite. Lorsque les institutions judiciaires n'ont pas la capacité de juger tout le monde mm. et qu'il va falloir juger tout le monde, il faut passer, par, la justice traditionnelle. Comme au Rwanda, on a utilisé les tribunaux Gachacha et autres. Justice vérité justice, vérité et réconciliation en Afrique du Sud, au Ghana. Et je pense qu'aujourd'hui, la question de la justice traditionnelle ou de la gestion des repentis doit passer par deux aspects. Lesquels Un aspect, c'est celui du dédommagement ou de la prise en charge des victimes de Boko Haram. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, en plus de la réinsertion de ces combattants entre griffes, dont beaucoup sont mineurs, il faut le dire, il va falloir instituer une véritable prise en charge psychosociale de ces individus. Parce que vous avez beaucoup de mineurs qui ont été embrigadés par beaucoup d'armes et qui sont venus. Donc aujourd'hui, pour créer une prise en charge, il y a la dimension psychologique, socio-psychologique, il y a la dimension aussi des prises en charge, c'est des repentis. Et il ne faut pas que les gens pensent que c'est une aubaine ou une imprudence, non. Comme on l'a dit, aucun conflit, il y a des conflits qui ne peuvent pas avoir leur fin de façon définitive par la belligérance. Il va falloir user des méthodes pour pouvoir les résoudre, y compris en faisant parfois abstraction de la justice dit les conditions dans lesquelles la justice transitionnelle doit se faire. Et mieux, aujourd'hui l'agression a changé, nous sommes dans une guerre asymétrique où les personnes frappent, d'une elles frappent par surprise, elles sont mobiles, elles, sont, se fondent mobiles. il, y a, il y, a, deux critères, trois aspects du terrorisme. La surprise, la mobilité et l'usage de la terreur que le fait de brûler des gens et autres, tout ça. Donc, vous voyez, ça, c'est des éléments combinés. C'est une guerre asymétrique. Nous n'avons pas les moyens, même les pays les plus développés au monde ne peuvent pas faire face au terrorisme parce que ce pas des gens qui viennent s'affronter à une armée classique. Donc, c'est un phénomène qui est mutant. Nous devons avoir aussi des solutions innovantes qui puissent s'adapter au problème auquel nous, faisons face. Et, et, et et je pense c'est d'accueil de repentis, c'est l'une des options. C'est l'une des options. faut pas l'exclure. Mais toujours est que la prudence doit être démise. Et les spécialistes des réinsertions, ça, ils peuvent savoir comment faire le suivi, comment faire en sorte que les gens repentis puissent intégrer la société sans pour autant et eh, poser des actes qui puisse euh, être euh, qui puisse, qui puisse rassembler à ceux de Boko Haram. La question de l'infiltration, tout ça. Je suis convaincu que les gens qui prennent en charge cette question tiennent compte aussi des vrais et des repentis masqués. Euh, Kakatouda, vous étiez à Difa. Est-ce que la population, la population euh, quel est le, sentiment de la population vis-à-vis de ces gens-là qui, à un moment, merci, j'allais certainement revenir sur cette question. Voyez-vous, un des problèmes qu'on a actuellement, c'est ce problème-là. Lequel Le problème de la préparation préalable de, la, population à accepter ces gens-là. C'est vrai, quand le, ministre de l'Intérieur était parti avec sa forte délégation pour lancer cette opération, aussitôt, il y a eu un comité régional qui a été mis en place, qui est présidé par le gouverneur de la région de Difa, qui devrait faire un travail de sensibilisation au niveau des 12 communes de la région de pour Difa pour qu'ils acceptent ces gens. C'est difficile. Vous savez qu'au début de cette crise, au tout début de cette crise, plusieurs chefs même ont été plus ou moins indexés. Déjà, il y a même des chefs qui ont perdu leur vie. Donc, de telle sorte que la population a atteint un niveau où est-ce que le gouvernement lui-même n'est pas en train de jouer pour voir qui et qui sont de près ou de loin impliqués dans cette affaire. Donc, il faut travailler pour gagner ou regagner en tout cas la confiance des populations si réellement on veut que cette opération puisse véritablement réussir. Et vous savez aussi que au type but de cette crise, et ça a été soulevé dans la salle au niveau du symposium international, les gens ont pris le Coran. Vous savez, on avait une très mauvaise tradition dans nos pays. Les gens ont pris le Coran pour sionner les douze communes de la région, pour dire que tout celui qui de près ou de loin, qu'il sait ou qu'il ne dénonce pas, qu'il a entendu ou qu'il ne dénonce pas, que telle ou telle personne est liée à Boko Haram, eh bien, que, le Coran, qu'il subisse les Aujourd'hui, les gens disent que, que le gouvernement prenne revient prendre le même Coran, si on est le 12 communes pour dire que maintenant ce n'est plus l'ancienne formule, on l'a laissée, on revient à la nouvelle formule consistant à dire que nous avons tendu la main à ces gens, et eh bien quand ils feront ça, chacun est prêt pour la Voyez-vous, ça cause aussi énormément de C'est pour vous dire que vraiment il y a un travail à faire. S'il y a des travail à faire, que ce soit au niveau des organisations de la société, que ce soit au niveau des médias ou même pour que ce soit au niveau du gouvernement, c'est ce travail-là. Parce que les gens vont dire que, ben, eh bien, si vous acceptez, j'ai vu quand j'ai fait sur certaines publications, les gens disent, eh bien, c'est le terrain qui commande. Ça en dit long. Ça veut dire que, oui, gouvernement, vous êtes engagé dans un processus, mais il va falloir créer les conditions pour que les gens acceptent ces gens-là. Et je comprends vraiment euh, leur, euh, leur c'est légitime hein, leur crainte. Est-ce qu'il y a eu euh, des conditionnalités ou des modalités définies pour l'insertion de, ces jeunes repentis euh, je sais qu'au début, vous disiez que l'État n'était pas préparé à ça, mais est-ce que le, symposium a eu à, définir quand même des, axes principaux euh, Non, non, le, le, symposium en réalité a encouragé le processus du gouvernement. C'est vraiment une façon d'accompagner cette option du gouvernement que, en réalité, ce, symposium international a été organisé. Et tous les gens qui étaient venus, ils ont partagé des espérances. Maintenant, il appartient à l'État du Niger, il appartient au gouvernement de prendre ce qui leur semble bon, de prendre ce qui peut s'adapter au contexte nigérien et de laisser les autres. C'est vraiment un processus que les gens ont venu, sont venus donner leur point de vue, sont venus partager avec nous des meilleurs exemples de réussite. Eh bien, maintenant, à ce que l'État du Niger puisse trier dans ce lot, en tout cas, des propositions qui ont été faites pour, euh, euh, Aucune, idée n'a filtré quant à leur prise en charge, à leur réinsertion, notamment sur l'aspect formation peut-être Non, non, non. Euh, bien sûr, le camp qui est en train d'être construit au niveau de Maria, il y a plusieurs. Il y a la menuiserie et bois, il y a ce qu'on appelle les trucs métalliques. Là, moi, je ne maîtrise pas le truc mm. professionnel. Là, mm. il y a aussi ceux qui vont travailler, par exemple, dans les coutures. Pour les, femmes, il y a des coutures. Il y a tout un n'est-ce d'ateliers qui sont prévus euh, pour ça. Maintenant, à la fin, du processus certainement qu'on doit va que certainement que le gouvernement euh, trouvera aussi des moyens pour les réinsérer mais c'est aussi valable l'un hein, pour les autres ça c'est pour les répandir. juste un mot euh, juste un mot grand frère avec votre vous savez il y a des gens qui ont été arrêtés des petits commerçants des gens qui travaillent dans le secteur de la moto du moto et autres qui ont fait un an deux ans qui ont tout perdu ils reviennent mais quel sort le gouvernement ça aussi c'est un projet qu'il faut développer, qu'il faut réfléchir à, des gens qui sont venus inutilement, en tout cas passer un an, deux ans en prison. Il faut aussi trouver un mécanisme qui ont un peu Qui ont été parce que qu'aucune euh, charge n'a pu être. tout à fait. Euh, alors, c'est répandu, Est-ce que est-ce qu'il est prévu des sanctions pour eux? tous ces gens-là qui se sont rendus Est-ce que, euh, est-ce que quand même, en dehors, en plus de la réinsertion, est-ce que d'abord, ils doivent passer par euh, un jugement, euh, Bon, vous savez, le principe a été rappelé tout à l'heure par le grand frère, hein, le principe de justice traditionnelle qui a été mis euh, en, place. la justice traditionnelle, les principes fondamentaux qui les guident, c'est d'abord la justice, la réparation, le pardon et la non-répétition. Voilà les principes qui, fondamentaux, les principes directeurs. Mais je ne pense pas que dans le processus actuel, du Niger, je ne pense pas que la question du jugement, comme au sens vraiment ah. d'être devant un magistrat, d'être jugé là, et a été C'est vraiment un processus. Euh, je ne maîtrise pas. là. On n'en est pas là. Je voudrais à ce juste titre, lorsqu'on parle de la justice traditionnelle, mhm. de la question du jugement public, c'est que la personne a été identifiée comme ayant posé un acte. Mais ici, ce n'est pas des gens qui, normalement, ont commis des infractions, mais ils appartiennent à une organisation qui pose des actes. Donc, on ne peut pas juger la personne en tant que telle, à moins de la juger pour appartenance à un groupe terroriste, ce qui est possible, mais le plus important ici, c'est la question de repentir et la promesse de ne pas répéter. Seulement, moi, j'ai une objection ou une inquiétude, c'est que le processus qui est mis en faveur des repentis, c'est un, processus qui, à mon avis, est stigmatisant. À, l'endroit de qui À, l'endroit de, ces repentis, Parce, que lorsqu'on va avoir un centre, on dit ça, c'est le centre des repentis là où on leur apprend ceci, cela, je pense que la démarche en elle-même, elle, n'est pas bonne. Peut-être qu'il va falloir ouvrir ce centre à d'autres personnes, à d'autres jeunes qui n'ont rien à voir avec euh, Boko Haram et autres pour apprendre les métiers et autres. Mais en les faisant dans des camps, même si on veut les surveiller, quelque part ça crée une stigmatisation. Et je me demande si ces gens peuvent intégrer un jour ou l'autre après la avoir société. appris les, C'est comme le concept de l'éducation inclusive qu'on a créé aujourd'hui pour ne pas mettre de côté les enfants aveugles ou malentendants, parce qu'en fin de compte, pensant faire du bien, on voit qu'on discrimine, qu'on stigmatise. Ce débat est ouvert, moi je pense que dans la mise en œuvre, il va falloir voir comment gérer cette question des répartis, tout ne de stigmatisant pas. Parce que lorsqu'il y a une stigmatisation, certains risquent de réchuter. Vous avez le risque de rechute. Certains peuvent encore regagner beaucoup Haram. C'est pas définitif. S'ils n'intègrent pas, s'il n'y a pas une bonne présence en psychosociale, et comme je l'ai dit, il y a des mineurs. Il y a des gens qui ont subi des lavages de cerveau et tout ça. Cette action mérite d'être menée de façon sérieuse et de façon, quasi scientifique. C'est sur ces mots que se referme ce forum euh, de ce soir. Nous étions en compagnie de Kaka Touda, acteur de la société civile, membre de l'association alternative Espace Citoyen, Seydou juriste, consultant en gouvernance et communication. Présentation de cette émission à la Sankouzi Mamadou, réalisation Diallo Boubacar et à la technique à Santaway. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence pour une autre édition. Bonsoir.